chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée, le Niger sur Kalangu. Ce matin, dans ce studio, vous avez Samira Wafi et Mariam Madé pour vous servir. La technique d'aujourd'hui est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons la grande dame Rahila Toussoumana. Bonjour Mariam. Bonjour Samira, alors qu'avons-nous au menu ce matin Nous débutons l'émission avec le flash d'information. Il y aura aussi la revue de presse, la chronique Loti avec les femmes du studio Kalangu et le sport. En effet, dans cette émission, nous vous proposons des conseils pratiques sur les conduites à tenir pour bien accomplir votre hygiène. Ça sera avec des prédicateurs spécialistes en nutrition. Ce n'est pas tout, des recettes et astuces culinaires vous seront proposées pour votre bien-être. Et comme nous sommes vendredi, nous parlerons entrepreneuriat de la rubrique hebdomadaire sans oublier le code de région qui nous amène aujourd'hui à Dogonbuchi, région d'Odosso, où les maraîchers se sont mis à la production de pommes de terre. Chers auditeurs, évidemment, avant de vous dire au revoir, nous allons écouter vos messages vocaux. Mais avant tout cela, vous suivrez l'entretien du jour avec M. Bachir Issa, le président du Haut Conseil des Nigériens en Belgique. Avec lui, nous verrons le rôle qu'il joue précisément en Belgique. Restez câblés pour 60 minutes d'antenne. Tout de suite, à les flashs d'informations avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Quelles sont les nouvelles Alors pour ce matin, le Premier ministre de la Transition du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, a rencontré hier une délégation américaine pour la deuxième fois cette semaine. Cette délégation est venue présenter les conclusions de leurs travaux effectués durant leur séjour à Niamey. Malgré une prolongation de son séjour d'une journée et de passage à la primature, notons que la délégation américaine n'a pas pu rencontrer le président du CNSP le général de brigade Abdrahman Tiani. Ensuite, les travaux de la ligne électrique 132 kW double terne Kandaji Niamey cheminent normalement avec un taux d'avancement de 35% et selon les responsables des entreprises en charge des travaux ainsi que les techniciens, ils vont se poursuivre conformément au délai contractuel pour une livraison au plus tard en décembre 2025 comme prévu. Constat fait lors de la visite sur le chantier du président du conseil d'administration de l'agence Kandaji. Enfin, depuis hier, d'importantes perturbations sont constatées sur la bande passante. Cette perturbation d'Internet est provoquée par la coupure de câbles sous-marins. Selon Brain Consulting Service, une société en ingénierie, de multiples services bancaires à travers le continent sont perturbés de l'Afrique de l'Ouest au Cap. Cette situation risque de durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps de mobiliser les bateaux et les équipes spécialisées. C'est tout pour le flash de ce matin. Merci bien, Passe une belle journée. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous allons de la rubrique entretien avec M. Bachir Issa, président du Haut Conseil des Nigériens en Belgique. Dans cette première partie, il explique le travail du Haut Conseil des Nigériens en Belgique. Il est au micro de notre envoyé spécial Habib Garba. Haut conseil, c'est étatique avec la massade d'ici. Haut conseil, oh, on a mandamé, quand on labora, que sokono, était à za jiri fo no aran no gorandi za wat fo na aran go president rawoti songo jiri dunena kan za eh, an sar jiri zambar hinkanda iwacin da hakku kina dan donc hal songo ayno ti président de nigérien de haut conseil nigérien belgique to irga bai dine ho konsai zanga nyak fo sintarai magabu lakkal kana mate aran da kyara gamara on kuna eh, yadi mono da fo yandu sandai sandai fo dum naran bonza aran da kyara gamara ne o belgiki wallahi sanda de ti hun kuna hun kuna bu kan masala jama man da me gite nya fo babu fo im koyi ima ima ga debo adu hijay igo koy debo adu chabay debo adu buyan mandame ni borakulu gono borakulu ka mm-hmm. oh ya ya dinno e eh, debora du chabay debora du buyan ce fo en bora gin gudu mo sanday da eh, newo labo boray ngamo ko karfo dum narangate daran don ga kam dan bor fo en se aram kir sirma o oh, kun bo kan dai labo boray adu bo adu problem kan dai problem dai no kan tira tira wonno kamanti isfu tere wonno zama ne wo nigérien ay e eh, isidu isidu isfu tere isidu isfu tere maga kadde tir jangay tir jangay mo din boradi amasad boray inde gisala amasad boray ba ikoy iskonda borafu o iri mo gagsini iri ga avocat sam borase amasad boray mo yigiche amasad boray mo eh, inde inde giteme fo ngai mo di koy isbuano laisser passer kan kono bora nyamai kan kono bora fu o oh, wodi no ko koro kan inda ho conseil da musa da bora gote no o arando no du wodi ndu ma ce markina irgu no do nin cine a cin oh. euh, euh, oh, zangu zangu hinka o o zangora borfulo hinni konda fu o zama didi ni se niger tira kan wonno ni passeport kan wonno talman ka ibe kan wonno woni kulu amsad singay kutte boku singay kutte o amma di mun du bo asitira to ku dubu akuri ne bo amatini jeren no o igatam to matano aran wani margana sokon yango zama hunkuna in nizal labo be kulgu bai alhali karano labo go hunkun hin tagino ka ke yan fodu na aran lakkal kana da bani gora nizer harabun boda zamne yau tubarkala aran go gite an kan nan boram tin ya fodu bafu wallahi in kuna in kuna alhamdulillah rabbil alamin soje kan aka akan lakkal lakkal kana sintinga ka la kalkana sintinka irgo wudimo kandirko ba e niger irgo fatta wayi dulura matkan aygo gidira tamne koy kayna ibura ku kan gonewo a hinta ka irko ge fudir ko ba insha Allah o alhalo ga dirko ba ba ku ge fu labu hinzo burkina bore ge fu mali bore ge fu niger bore ge fu tamun kuna dini noro barmai inoro inoro ifat eh, france fa irgo labo arzika goy la bise alhakko i bunda kango neo irgidira yo bor kwar no igbe bekano be borego tabi sene bore kun illa be dite an angola ni sidi angola angola bor ku ahome illa bay manzar se no arango ah, illa bay manzar no so angola an kuna ni sidi angole kan kan go moto ni kwara wala kan ngo no parce que son angola illa bay itun ba kusi ka eh, angola amma iro illa bai kango sahelo borai borai go bu haro bon borai go bu deserora ne mo de boraka de bora situation mon bori halso dunguru zena berwa donc igi cen tonandi hinta joga im kokari girla bo arzaka ka illa bizai bai kulmu dunga alhakko zankai isfata im du hanki kariye jeunesse jeune im goy im du banande hanno avant d'entamer la deuxième partie de l'entretien, suivez le conseil du prédicateur. Pendant ce mois de Ramadan, certains fidèles euh, par force majeure ne peuvent pas jeûner et pour euh, compenser cela, le prédicateur explique comment il faut procéder. Écoutons Oustaz Mustafa Ahmadou pour plus de précision. Il est au micro de Rahila Toussoumana quelqu'un qui a commencé, qui a pris l'intention de gêner, mais qui n'a pas pu faire par une force majeure. Lui, donc, il est exempté de gêner, mais à condition qu'il enlève chaque jour qu'il ne gêne pas le plat d'un miskin, ce qui peut nourrir un miskin. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui préparer ça ou il faut. Non, non. Chaque jour, si tu n'arrives pas à gêner, tu lui enlèves une mesure qui va le faire nourrir. Ou alors tu regroupes ce qui peut nourrir 30 personnes, tu donnes pour 30 jours. Peu importe le moment où tu vas le donner. Mais c'est qu'on ou au moment où tu n'as pas pu gêner. Pour que lui, maintenant, en mangeant cela, c'est ça qui compense les jeunes que tu n'as pas pu faire par force majeure. Je dis bien par force majeure. Peu importe la nature, c'est que ce soit une pâte alimentaire avec des frais de condiments, ce qui peut les faire nourrir. il ne faut pas lui donner ça comme ça et puis les laisser, non. Ce qui peut les faire nourrir, c'est-à-dire tu lui donnes une pâte alimentaire avec un 1000 francs ou ce que tu en as pour qu'il puisse chercher le condiment qui va lui permettre de préparer ça pour manger. C'est ça la compensation de jeunes que tu n'as pas pu faire. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à la fin, non. Parce que toi, tu n'as pas gêné de toute façon. Donc, chaque jour que tu ne gênes pas, tu donnes. Chaque jour que tu ne gênes pas, tu donnes. Ou alors tu réunis l'ensemble du plat de ce que tu n'as pas pu faire de 30 jours là, tu donnes à un miskin. Et c'est ça la compensation de ton, de ton c'était là le conseil ramadan avec Oustaza Mustafa Hamadou au micro de Rehilatou Soumana. Chers auditeurs, M. Bachir Issa, président du Haut Conseil des Nigériens en Belgique, explique le fait que les Nigériens vivant en Belgique s'en sortent bien et félicite les efforts des jeunes. On l'écoute. aran waran ne jenai zamir bai kan neo jen kan se arandi ikenge bonga eh, manti amanto bai maran ha ha wadi no eh, aran king de dirse eh, keyan fodum no garan se jen kan ninga kan yawo bon am goro lam ka afero wallahi hunkuna e sani fune kin sifa hunkuna dila dila dila bo mon barmai ai wasu ne buku sa sika dan buku din sa no o de hunkuna hadda ila bo barmai ila bo barmai jeune im gorgo goy mais ila bo mon barmai bo akum ka parce que buku din sa no e, zaman hunkuna idi boran kanka kan hunkuna kan gudu za milo hin di isin da batira to bo waran ka bor wai ci bor wai gu kai di kan bor tajin kanka kan kun deja deja i manto ba fo ina wundi china dami nigerian na hukan nigerian go daka asufuri zifuterera ako kerno an kan gadu ga sambufu donc ya diga hankuna ayo gono ayo noti nigerian president one do ho conseil donc ya niga ay go gadi nigerian kulu an ki gote et, et donc ay gonda société mo kan nor samba donc ay go gadi zan kan go furtaje kan go ka ay dogo nor samba zari kusubai kulu donc igo kokari igo kokari igo kokari bodange di handu kulu igi million fo sangba handu kulu ni o di nigérien no ikuno na albarka da nigérien ga nigérien no no ka koy labu kara koy a ko kanno am sing bonte furku hadde nigérien no bora hay hadde nigér har no bora han to wallahi musikar han boase de bora asfu zetrera asfu drogue asfu zefote kura ka de i nigérien albarka no da irko nigérien ga i nigérien kango albarka ga albarka ni ga na sidi kango ga sigari e han aka albarka da iga de albarka da i nigérien kango ne ga kango donc euh, ga jende mo hino ga mali gote da angola yan da nango mandame ga kai goyi nigérien ese goyi nigérien ese im ko kari goy goy hannu mo um kona président aran gengi de dirse selman bor marji kan seno bor marji kan seno aran aran di damo muradu kayan dumno bore karan gona ga hausun kuni gona ga te belgique kwaro zama ne su futare ya san wallahi in kuna belgique zai bore kan kayan gona ne se ni nigerian o kanga kanga meto hadde ni har harno burahan da buraka ay kurana bo asi kadai kadai ngi ngi boyana igo ngai boyana mo iko de mal barka den zanke ga zanke taje boy kango kay go ko kete a sai ne go ne sai di hino barmai di hino barmay hadda hino barmai niger barmai mataga ti hino barmai hino barmai de te ima imdu imdu société qui i créer jeunesse jeune kulmo goy boy boy mo goy bora mo goy mais dim todi non il me faut no bo akun so e ka parce que ne o fisiblay beaucoup d'insano mais hadda barmay manté imsine bo kum sika anno iddi oh. eh, hinona eh, watodini agdes fonda kamboray kada eh, hine ise nayi ina sankeyan sambe ganda union européen ine ɓe kulmiska hintajo kanka ane sani hoyni wo sino bankan tun kul boram sobay ka hmm. il faut que taran diyango sani hoydi mo ay diyango ga kahino jo igi e parce que hunkuna illa besende fo i razaka kan kan iri ko compte bon hini ze naadi boray i sigi nafara i sigi nafara france boray no ga nafara no kenga donc france bodeni gona fara iri mo kagi noro chechi ir noro ni yo kachi fa ir ko ir wo kagi noro chechi no o oh, bora kulmuka ayo de wa kan hadde hino mon barmay bora kulmuka C'était là le haut conseiller des Nigériens en Belgique au micro de Habibou Garba. Il est 11h passé de 13 minutes. Voilà, chers auditeurs, à présent, c'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique. Le mois du ramadan coïncide cette année avec une période de forte chaleur, ce qui impacte considérablement l'hydratation de l'organisme. La consommation de certains aliments et boissons est recommandée pour une meilleure hydratation, explique le nutritionniste Abdelrazak Bello des propos recueillis par Ruket Abdurrahman. Habituellement, on a besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour. Maintenant, pour avoir ces 2 à 3 litres d'eau par jour, euh, comme on est en période de ramadan et que nos activités sont essentiellement nocturnes, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre de grandes quantités d'emblée. Au lieu de prendre un litre d'eau sur place, donc on prendra par, exemple un verre toutes les 30 minutes. Donc ça va permettre de mieux hydrater l'organisme. Autre élément qui est extrêmement important, c'est la consommation des, fruits et légumes. La première raison, parce que les fruits et légumes sont riches en, vitamines et en sels minéraux. Et ces vitamines et ces sels minéraux sont favorables notamment à une meilleure hydratation de l'organisme. Le deuxième élément qui explique l'importance des fruits et légumes, c'est vraiment lié à la forte teneur en eau de ces, de ces aliments. Généralement, vous avez autour de 80 à 90%, sinon plus d'eau. Vraiment, c'est à consommer en bonne quantité au moment de la rupture. Toujours pour mieux gérer son hydratation, ce qu'il faudrait vraiment éviter ou modérer, la première chose, c'est notamment les excitants. Habituellement, lorsqu'on prend des excitants, on a tendance à émettre des urines et c'est pour cette raison qu'on dit que le, généralement le thé a des vertus diurétiques favorisent l'élimination des urines. En temps normal, c'est plutôt un avantage, mais pendant le mois de Ramadan ou lorsque nous perdons de l'eau, il ne nous est pas possible de, remplacer cette eau. Donc, du coup, ça peut favoriser la déshydratation. Également, d'autres éléments qu'il faudrait éviter pendant le mois de Ramadan, les aliments qui généralement renforcent la soif, parmi lesquels les aliments qui contiennent de, de l'arachide. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait modérer la consommation de ces, de ces aliments-là. Les boissons sucrées, il faudrait les, il faudrait les modérer parce que quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, ça désaltère à un moment, mais les conséquences de ces boissons sucrées, c'est que lorsque vous consommez beaucoup de boissons sucrées, notamment la nuit, ça peut avoir une répercussion sur votre hydratation dans la journée qui va entraîner des, des vertiges. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est l'heure pour nous d'attaquer la revue de presse présentée ce matin par Nafisa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour à vous Maria et Bonjour. Alors, Ramadan éprouvant, les fidèles face aux coupures insoutenables d'électricité et d'eau titre du journal L'Incuteur. En effet, la communauté musulmane du Niger a débuté le lundi 11 mars le jeûne du mois de Ramadan. Cependant, la reprise soudaine des coupures d'électricité impacte sur la population. Selon l'inquiéteur, la grogne des consommateurs a contraint la direction de la Société nigérienne d'électricité à publier un communiqué pour tenter d'expliquer la cause des coupures imputées à une révision des groupes de la centrale thermique de Gorubanda. Selon la même source, à quelques jours du début du Ramadan, la ministre de l'énergie, professeur Almodou Hawa, en compagnie de la directrice générale de la Nigelec, ont effectué une inspection des installations des différentes centrales électriques de Niamey. À l'issue, il ressort que seul un groupe au niveau de la centrale thermique de Korubanda présentait des défaillances qui étaient en train d'être réparées. Mais globalement, l'état des autres centrales permettrait de faire face de façon plus ou moins acceptable à la demande de la population en énergie électrique. Et entre-temps, le rétablissement de la ligne d'interconnexion Burning kebi suspendue par les autorités nigériennes après le coup d'État du 20 juillet, a été annoncé. Toutes ces assurances par les autorités en charge de l'énergie n'ont pas mis à l'abri les consommateurs de coupures, ajoute l'inquiéteur. Entre coupures d'électricité et d'eau, les fidèles musulmans ne savent plus à quel sens se vouer. À délégation américaine de haut niveau au cabinet du Premier ministre nous informe le journal gouvernemental Les Sahel. Le premier ministre de la Transition du Niger, Ali Mohamed Laminzen, a rencontré hier jeudi 14 mars 2024 à son cabinet une délégation américaine de haut niveau. Selon le Sahel, cette délégation américaine est composée notamment du secrétaire de la secrétaire d'État adjointe aux affaires américaines, Madame Molifi, de la secrétaire d'État adjointe aux affaires internationales, du commandant Africom, le général Michael Langley, ainsi que du directeur adjoint d'Afrique de l'Ouest, Ski Justice. Le journal nous rapporte que c'est la deuxième fois que cette délégation est reçue en une semaine par le Premier ministre à qui elle est venue présenter les conclusions de leurs travaux effectués durant leur séjour à Niamey. Notons qu'aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de la rencontre des deux parties. Le président de la République fédérale du Nigeria a ordonné mercredi 13 mars la réouverture immédiate des frontières terrestres et aériennes de son pays avec la République du Niger, ainsi que la levée d'autres sanctions économiques imposées à ce pays, nous informe le journal en ligne Air Info. Oui, c'est suite aux directives de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors de son sommet extraordinaire à Abuja le 24 février 2024 que le président Bola Ahmed Tinubu a ordonné la levée immédiate de plusieurs sanctions appliquées par son pays contre le Niger. Cela inclut la levée de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Nigeria et la République du Niger ainsi que de la zone d'exclusion aérienne de la CDAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance de la République du Niger, souligne Info. Le président nigérian demande également la levée des restrictions sur les transactions commerciales et financières entre les deux pays, ainsi que sur les transactions des services, y compris les services publics et l'électricité, vers le Niger. En outre, les avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CDAO, ainsi que des entreprises publiques et parapubliques des banques banques commerciales devront être dégelées. Toutefois, il va falloir attendre la réaction officielle des autorités nigériennes pour voir quelle suite vont-elles réserver à la décision conclue la même source. C'est la fin de cette revue de la presse. Merci. Je vous en prie. Chers auditeurs euh, du Niger sur Kalangou, l'émission se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire Entrepreneuriat. Elle nous fait découvrir les femmes du groupement Al-Kawali de la commune de Niamey, spécialisées dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. Suivons l'entretien de Mme Sido Zaratou, membre du groupement, qu'elle a accordé à notre reporter Hawa Ousmane avec quelques astuces pour faire du sirop. Oh, jinay kiga taydamo isatede kala mante citronnelle de ko hamni de sucre day no irwoga tayda naturel no irwoga tayir sai kudanga ran sare won goje to woni kan te ni kan da ni wani kungiye fo ma gano wala mutana forge ar no go tayir se sensibilisation yon formation ngay no ne dangi irwoy bore ni cergame irum bor kulum nga bayra kan ngi se ni calase so bor kul kan no wona kan bay no celam dini wona te no mom din cela wona danga tonton de no borse aran groupe ko de way bor margino gara ir groupe ma sin kal way bor wara skin di iddu kan ka ko sira ifo na ranga te ko kan ka ko siro irgite ayo kuskus dege e hayni wone irgite dege sorgo wone irgite kuskus a base de trois céréales donc irgite da mo irgite da kolgot kwara irgite da kolgot sayo irgate kuskus dindiya mo agode kuskus irgite nyeri nyeri mo isate ka dungurindu mo dungurindu mo kuskus irgite bicep instantané. danga jio kangin isate da hari me iko gano pantiga durno irga préparer de sucre ni ko ga gisino pendant en aste ay foku nigene glaçon dande no ma dorin tunandiga irgite wodi bande irgite kolgote ham nerante to sun hunkuna na gini da ke risi dalla dalla mutum na igite ga ga din te kala tonan kan ga ha. gaha jodi matki ga te da dai borkan sin mixer danga borkan sin mashino kan ga haye fufu man to di citronella bara ga zargan din din ni ma kokoso wani dinni ko hamno dibi ina kokoso kunnim citronella da manto harodi ma dora ra tunandi après irwo irgine sinu ko litre fo ko haro litre fo nigdan ngara sikro kilo fo di nem nim asam ni nima dorin kusora nem da jo andi nim sikro dora ra nim ku gundo sam semega atunandi kal am e sikro kul man ara di sikro man di kan son kai ago ago sintin ga wasu nim gundo kara nim fande am sobega wasu aga tonan kan din kawr da ngara kunig di kan aga te del del kula te siro siro ama isa conserver kaushu butanya kadai guru butale ni ngi hinno ga conserver din dangara te jira man sara to hal ni gadan guru butale dira mutul te guru butale hanse gi hananen di guru butale irgi nyum do eau de javel irum yega tarande har man sor fo mat sor hin kala après irum yegi da harag yegi zargandi ko ni din ni zargandi irmi kaji ko go kirwan sirete da sira ta irma da ngara da a shono ga da sira do ni ga da buta mara irma da de sira yi ma gisi da yayi din gon frigo na ga da frigo aga aga yek chat di tonton ya din ni se lokaci bobo wallahi te handu aga te ba jira man sara jira ga hingite ka man sara C'était la rubrique entrepreneuriale réalisée par Hawa Ousmane. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiokalangu.org. Samira, c'est l'heure de faire un tour à région. Oui, Mariam, allons à Dosso, plus précisément dans le département de Dogondouchi, où les maraîchers s'intéressent de plus en plus à la culture de la pomme de terre, suivant ce reportage signé Abdelaziz Dayouma. Depuis sept ans, les maraîchers du département de Dogandouchi se sont organisés en réseau de production de la pomme de terre, et cela avec une grande satisfaction, notamment cette année où la récolte a été bonne. là Hamza Alassane, président du dit réseau. Cette année, quand même, la culture a été très satisfaisante parce que beaucoup de producteurs ont eu de très bons résultats. Parce que bien que les semences soient insuffisantes, mais avec ce qu'on avait reçu comme semences 1, 2, 3 sacs, donc les paysans ont bien produit quand même. Ils ont très bien. Tous ceux qui ont produit ont réussi. Ce que tu vas voir au niveau des différentes zones d'intervention de notre organisation, on avait mis des jeunes producteurs qui, avec un sachet, ils ont autour de 800, 400 et 500 kg, avec le seul sachet de 25. C'est pour ça que je te dis que quand même cette année, elle a été super. Pour la commercialisation des produits, un système a été mis en place par les producteurs précise On s'est organisé un réseau producteur qu'on appelle RGPT Vallée Mori. Donc au niveau de ce réseau-là, on a un concept qu'on appelle concept économique, production et conservation et commercialisation de la pomme de terre. Donc sur ça, donc chaque producteur, on a des contrats de production avec ce producteur-là. Dès que tu produis, directement, on renvoie ça au magasin. Après un certain temps de stockage, on va vendre ça. Donc c'est pour ça que les producteurs n'ont pas quand même de difficultés de la vente avant ah que tu, que tu produis déjà, ta, conversation et les choses. Parce qu'à l'arrivée des semences, nous, on donne au producteur, on prend 50% avec le producteur. À la récolte, on récupère notre 50 et on le complète son montant. Ce producteur se dit satisfait du prix de vente de la pomme de terre. babu wallahi wajen sai shi bai da wata matsala mun gamsu tunda aka yi shawara da jama'a ba da mutum guda ba da mutum biyu ba mutum goma ba da mutum ashirin ba kowa ya yi na'am da haka kenan baka da wani korafi tunda kaga mu dai bana dai abin da an ce muna za a san shi dala sittin da biyar ko ba gaskiya ba to kuma mun lisa hawa mun gani yanda mun ka dan abin da mun ka samu duk da dai an samu matsalar ruwa babu lahi wala an samu alheri tous ne sont pas du même avis, en témoigne cette productrice du village de Kukabokoy. Yanzu matsalar da kuma gare mu dai ta zuwa huska kwamfutar ga kaga in lokaci ya muna da iri muna sayan shi da tsada. Amma zuwa wajen sai suwa dala hamsin aka sayi mana kilo na kashe aka sayi mana shi ba cikin mun kwararo kuɗin mu bale mu ci mu hishe su muna saye da tsada amma babu kuɗi riba shi ta wahalar da mun kai. dala hamsin aka sai mana shi na kashe wani bisa mun yi lallabi a sai muna aikin shi bisa gaskiya tun da iya shi kai kumtsa kumtsa amma ba mu cin riba shi riba guda dai dan abin da mun ka samu dai mu unhani da shi shi na riban mu tun da in kai wahala ka rai ka dan ka ci rai kawa Allah godiya malgré certaines difficultés La production de la pomme de terre continue de susciter un grand engouement chez les maraîchers dans la zone. Merci Ablaziz pour ce beau reportage. À présent, place au sport avec notre chroniqueur à 10 jours Adam Sari. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Bonjour Mira. Bonjour. D'abord, partons de la région de Tilaberi, précisément à Balayara, où du 17 février au 9 mars 2024, les 10 écoles primaires de la ville ont participé à un tournoi football. Eh bien, l'école primaire Agou a remporté la coupe avec un lot de maillots, de ballons et une enveloppe de 50 000 francs. L'école primaire Tiji Dagmat, deuxième, retourne avec un lot de maillots, un ballon et une somme de 30 000 francs. Et enfin, l'école primaire Isagadan, troisième, remporte un lot de maillots et une somme de 20 000 francs. Les deux entraîneurs des équipes, des deux équipes finalistes se réjouissent du résultat et se donnent rendez-vous pour la prochaine édition, rapporte notre correspondant de Baleyara, Sidi Abdou Parlons à présent du championnat africain des nations, le CHAN. Dans le cadre de l'organisation de la 8e édition du CHAN, la Confédération africaine de football, la CAF, a effectué une visite dans les trois pays pouvant organiser cette 8e édition. Il s'agit du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie pour une première co-organisation du CHAN, un vrai test avant la Cannes 2027 qui se déroulera conjointement dans trois pays d'Afrique de l'Est. Pour rappel, les éliminatoires du CHAN qui auraient dû initialement se déroulé en septembre ont été reportés à une date ultérieure. Adam, pour finir, hier, le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe du Monde féminine u 17 de la FIFA pour cinq éditions consécutives. Une excellente nouvelle pour le Royaume chérifien qui accueillera la Coupe du Monde masculine de la FIFA en 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Lancée en 2008, la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA a connu cette éditions. Cependant, notez que le Ghana et le Nigeria sont les équipes africaines qui comptent plus de participation avec 6 participation chacune. Eh bien, c'est la fin de cette chronique. à la semaine prochaine à la semaine prochaine, bien évidemment, pour un autre numéro. Merci Adam. merci Adam pour toutes ces informations sportives. Place à présent à notre portrait du jour. Samira, nous partons à Gadez, plus précisément à Churoserine à la découverte de Azara Ibo, une chanteuse vivant avec un handicap. Malgré sa situation, Azara n'est pas restée en retrait pour vivre sa passion, la musique. Elle chante dans une troupe musicale appelée Tagota. Ahmed Fellan l'a rencontrée avec les membres de son groupe azara ibbo chante dans le groupe tagot de Tirozerine. C'est elle la responsable de la troupe. Aujourd'hui, mère de famille, elle a commencé à gagner sa vie dans la chanson depuis sa tendre enfance. Lalle Allah ne da gurguwa, amma duk abu in dai na yi niyyar shi zan shi a gurguwa ta. Yusuf shine guitarist kin kuma da guitarist kin mu kuma in yana da waka yana fuddo Ni gurguwa ce amma gaban mutane na iya gaban taro ne ma ko gaban president ne ma ni na iya fitowa in yi waka. Da shine sana'ata ma trimi je in kirmina a bani abin da aka bani shi da muka fara sa ruwa ku da muka je wajen James Prepe da SG suka kama mana suka ce su abu yayi kyau su abu ya birge su sun kama mana maga abin da Allah ya da matsaloli da yawa ne tunda ko komi in baka da karfin shi ba ka yi shi ba amma inda kana da karfin shi sai ka tsara abin ka ka tallatar da shi ba mu da karfin shi yanzu komi ma ba mu da su ba mu da gitar ba mu da tumba ba mu da batiri mu muna kira gare su gabanin muna kiran su mu dai samu na wasa kaɗai muke cikin su ne nake rike da iyali na tunda tabarakallah marayi abin da Allah ya bani guda bakwai gare ni da cikin su ne ina yi waka na samu in zo in taimaka Yusuf Dan Muhammad compositeur de la troupe Tagot apresi le travail de Azara Ibo. Azara ita kokari gareta. ta. Eh, duk da yake gurguwa ce tana da kokari. Menene ake cewa kokarin ta kaga da a matsayin ta da take gurguwa tana son abin nan kuma tana yin shi ne saboda kishin kominikin ta. A haka nan kin kana gani take kokari duk da Allah ya yi ta matsayin ta na gurguwa tana da kokarin rawa tana da kokarin ta nemi da yanda za ta yi ta kawo ci gaba dai cikin mutane kuma ya zama na lacci zuwa ce a cikin mu. Cette troupe se fait une renommée dans le département de Tirozé mais ces dernières années, les matériels leur fait défaut. Merci Ahmed Félan pour ce portrait. Avant de découvrir la rubrique rose, faisons une courte pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Eh oui, euh, les amis, euh, chères auditrices et auditeurs, si vous venez de prendre un cours, vous écoutez l'émission Le Niger en Goukou animée par Mariamade, moi-même Samira Wafi, et c'est l'heure de la rubrique rose comme annoncé. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nos chroniqueuses vont vous présenter une recette et astuce. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Dans l'espace cuisine d'aujourd'hui, nous allons voir une recette de riz au haricot. Nous sommes dans la saison des pluies et dès qu'il y a quelques averses, après quelques heures, nos chambres sont inondées d'odeurs d'oignons frits qui proviennent des cuisines. Ces oignons frits donnent de l'huile et l'accompagnement traditionnel du riz au haricot. Je vais donc vous partager une recette un peu plus, comment je vais dire, pas traditionnelle. Revisitée, tu veux Voilà, une recette revisitée de riz aux haricots. Alors, pour commencer, dans une marmite, versez de l'eau. Ajoutez un peu de natron, qu'on appelle la potasse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Versez les haricots bien nettoyés et lavés. Lorsque les haricots deviennent un peu plus tendres, Versez votre riz et surveillez la cuisson. Une fois la préparation terminée, il faut placer une nouvelle casserole sur le feu. Versez de l'huile, des oignons, du poivron, du piment frais découpé ou pilé. Ajoutez du thon ou des sardines. Versez à chaud accompagné avec du piment moulu. Ça, c'est à consommer à volonté. J'ai appris que le piment est plein de protéines très ravie de vous retrouver sur cet espace rose du studio Kalangu. Dans ce numéro, nous allons voir comment bien parfumer nos maisons sans mettre notre santé en danger. Sur cette question sanitaire, ce dont nous ne sommes pas sûrs, c'est à quel point c'est mauvais pour la santé ou à quelle concentration. Mais les effets nocifs de la brûlure d'encens à long terme sont bien documentés. Lorsque l'on brûle de l'encens, la fumée qu'il produit contient à la fois des émanations chimiques et des particules, et les deux sont liés à des effets nocifs sur la santé humaine. En effet, les muscles généralement utilisés de nos jours sont synthétiques. Le bois de santal, synthétique, est également très courant sur les marchés, car là encore, le vrai bois de santal est devenu incroyablement cher et il n'est utilisé que dans certains parfums. Ce qu'on peut faire, car brûler l'encens est vraiment un rituel très ancien auquel on tient vraiment, la fumée claire et odorante qui s'élève de l'encensoir nous apaise, mais parfume aussi bien nos chambres et nos maisons. Comment brûler l'encens en grains Ce dont vous avez besoin, c'est d'un encensoir. Il est préférable d'utiliser un encensoir et non pas une assiette ou autre récipient afin de brûler l'encens en toute sécurité. Un peu de braise ou une pastille de charbon combustible que l'on retrouve bien emballée sur les marchés et, pour ce charbon magique comme on l'appelle chez nous, Gardez-le toujours bien emballé, il n'aime pas l'humidité, mais surtout pas. Et en plus, laissez-le bien brûler jusqu'à ce qu'il se recouvre d'une fine couche de cendre. Ou si vous êtes vraiment pressé, parsemez votre braise d'une couche de cendre pour atténuer son intensité. Il faut surtout éviter de brûler rapidement votre encens pour faire diffuser son parfum et que ça ne sente pas le brûler chez vous. Pour la combustion de l'encens, ça ne sert à rien de fermer portes et fenêtres. Lorsque vous mettez de l'encens dans vos chambres, laissez une issue d'aération. Et pour ce qui est des bâtons d'encens, super facile à utiliser, placez-les dans un support adapté afin de brûler vos encens en toute sécurité. Si vous n'avez pas de support, idéalement utilisez du sable, du sel afin de vous permettre d'y piquer votre bâton d'encens. Comment brûler de l'encens Veuillez toujours à ce que la pièce soit correctement ventilée, gardez les fenêtres et portes ouvertes ou un purificateur d'air à fond. Pourquoi pas la climatisation à fond L'encens est à éviter si vous souffrez d'un problème de santé respiratoire comme l'asthme, bronchite, rhinite ou sinusite. Sinon, si vous aimez vraiment l'odeur de l'encens et que vous n'avez jamais ressenti d'effet indésirable auparavant, vous pouvez en profiter de temps en temps avec une fenêtre ouverte, bien sûr. C'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. À vos enfants, prêts, parfumés. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose, tout en espérant que vous avez aimé. Mariam, c'est le moment pour nous de découvrir le loti. Le loti d'aujourd'hui touche du doigt les problèmes qui rencontrent certaines femmes dans leur foyer, la non prise en charge par leur mari. Nos chroniqueuses nous en disent plus. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Assalamu alaikum ƙaunata. Wa alaikum salam yaya, sannan ki da zuwa. Yauwa, ya kike? ya a ganki da mai gidanki? Alhamdulillah yaya mun gode wa Allah. To madalla, kin san abin da yasa na zo gidanki yau. Dan in sanar da ke ne yar uwar mu Fatima ta samu karuwa. Kenan ya kamata ki shirya mu mu gani ta da mu mata barka. Kuma ranar biki zan zo da kai na ɗauki ki dan mu tai tare. Saboda duk dangi ana kuka da ke na cewa baki son zuwa wurin sabgogi. Hmm, yaya, kin san ni ba ta hiya sabgar bane ban su. bani iyawa ne shi yasa ban gane ba kamar yaya baki iyawa mijinki ne ke hana ki zuwa koya a'a ba wannan ne ba to mine ne matsala ke dai yaya a bar kaza cikin gashinta wace irin matsala ce za ta iya ki da baki iya gaya mini ni da ayyaye ki sai ki ce ki boye mini yaya kakki manta a lokacin aurena kun sha jan kunnena akan cewa in yi haƙuri in ruha mu kaina asiri a cikin kowane irin hali haka ne amma akwai wani hali da dole sai ke yi magana ke dai ya yanzu ki hakuri, na yi son in yi shiru da bakina in yi ta ci gaba da haƙurin to shi kenan ba ni matsa miki amma ki san da cewa ina nan zamna sai mijinki ya to ya gaya mini komi ne a a a yaye ba sai kin yi haka ba don Allah to yi magana mana to na ji, yanzu dai in ce tun yaushe kika san ina cikin gidan aure shekara bakwai in ban mance ba don me kika tambaya ta ina zuwa ke dai to yanzu kuma tun yaushe kika san na rasa aiki na shekara hudu yanzu ko To sai tambaya ta ta ƙarshe. Tun yaushe kuka gani bani nan ga tahiya bukukuwa na cikin dangi. Tun da kika rasa aikin ki, ba ni bani nan ga ganewa. Me kike son ki kwatanta mini ne? To di ba ki ga yaya. Yanzu shekara bakwai kenan da nake gidan aure. Mijina biye bai taɓa ɗauka ya bani ba. Mutumin nan yaya bai bani ma kuɗin mai. Bale in ka miki zancen tuhwa ko kuma wani kuɗin taksi. Ke bar ma in gaya miki. Dala ɗari ta shi ka bani kowace sahiya mu yi kayan miya da ita duk abin da ga ina yi yaya cikin albashi na nake yin shi yanzu kuma ba ni da aiki ya zan yi in ba in koma ga Allah ba mina ban gane ba amma wasa kike yi mijinki musulmi ne kuwa hmm, sosai ma yaya yana daga cikin waɗanda har misalin su ake badawa a fagen addini Allah sarki kenan to bai san da cewa ba mace namiji ne ya kamata ya ci data ya bata muhalli ya yi mata tuwa kuma ya kula da ita ai ya sani sarai amma babu kalmar da ta birge shi kamar ni ba kuɗi gare ni ba amma waje yana dai in dararu kauna ta bari ba a wasa da irin wannan abu har da sheri kina mishi sheri. To kin ga me yasa ni so in yi shiru da baki na ku dan na san ke da kanki yayata ba yarda zaki da ni ba. To ina da wani na na ba ma labarin nan. Saurara ke ji ba wai ban yarda da ke bane kawai abin ne in na tsaya na yi nazarin shi sai in gan wai ba mijinki bane ba iya yi haka nan bawon Allah irin kirkin shi. Hmm. amma kin gani ko aikin shi kenan ke yayi akwai ranakun da hatta ɗan sabilin nan na wanka ba mu da shi ke yanzu zancen da nake miki ma irin bashin da aka yi na Allah masani duk abin da ni tara na kashe shi cikin abinci yanzu sai ni ce cin bashi nan cin bashi can a'a zuwaira bar gaya min haka duk wannan lokacin kina cikin wannan matsala kuma ki rike ta makanki baki gaya ma kowa ba baki gaya ma waɗanda ke iya yin wani abu ba wallahi gani nake kowa ba zai yarda ba idan na kai wannan kukan amma yanzu da ki taho har na gaya miki har na ji saka yau ki tahiya ma zani in sanar da magabata na saboda bani iyawa yaya na gaji yanzu duka na fahimci abin da ya sa kika rame ki yi duhu ha ba ji ki hmm, zancen kike so yaya matsaloli ne suna nan sun cinye zuciyata ai kuskuren ki shine da ki shigo cikin wannan halin shawarar da zan baki kin riga kin ba kanki ita ita ce ki ta ki gaya ma magabata tsohi su ɗai ne za su samu su shawo kan wannan matsalar. Ai haka zani ya yi yanzu yanzu nan, amma ko za ki iya ramta min ɗan kuɗin taksi? Hmm, babu matsala, amshi shiga ka goma, tashi in ta yin ke. To yaya na gode sosai, Allah biya ki. Amin. C'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu. découvrant à présent la recette culinaire, la première d'ailleurs. Aujourd'hui, dans la rubrique recette culinaire, nous nous sommes intéressés à la préparation de feuilles de cotère, de corette plutôt, euh, potagère fraîcheur, ce qu'on appelle communément fukufui. Aujourd'hui, tu nous amènes dans ta cuisine pour nous présenter ta façon de préparer les feuilles de, fraîche, de fraîche. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous ramène encore dans ma cuisine, c'est Mirawafi. Et euh, aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est la sauce à ademé. Ça, c'est l'appellation des Togolais et des Béninois. Mais nous, ici, euh, en jargon Hausa, on appelle ça sauce foku. Mais là, on va préparer les feuilles de foku frais. Et pour cela, nous avons besoin de nos feuilles euh, d'adémé, de Fokou bien sûr, un peu d'huile de palme rouge. Nous avons aussi besoin d'une portion d'oignon, 4 piments frais, du poisson frais. Moi j'ai opté pour du poisson frais, mais il y a des gens qui préfèrent le poisson fumé. Nous avons aussi besoin d'une boule de sombala, un peu de sel, un peu d'arôme. Comme toujours, nous allons commencer par nous laver les mains. Voilà. À présent, aujourd'hui, j'ai pas laver les ingrédients avec lesquels je vais travailler. Là, je vais les préparer. On va laver notre poisson pour enlever toutes les impuretés et, euh, laisser ça filtrer. Parce que souvent le poisson, vu que c'est euh, c'est un, poisson en, frigo, ça risque d'avoir beaucoup d'eau. Donc euh, on va bien laver notre poisson. Voilà. Les feuilles d'adémé sont déjà euh, bien arrangées. Là, je vais préparer ma marmite. Je vais y ajouter un peu d'eau. C'est fait. On va venir mettre nos feuilles euh, d'adémé. Voilà, à cette étape, euh, quand l'adémé va commencer, notre foku va commencer à bouillir, on peut y ajouter juste un tout petit peu de bicarbonate de soude ou bien ajouter un peu de natron pour permettre aux feuilles euh, de garder déjà leur couleur verte et aussi euh, pour que ça, ça puisse cuire plus vite. Ça sert aussi pour gagner du temps et ça permet à la sauce de ne pas vite se gâter. Je mets un peu euh, de bicarbonate. Là, on va mettre nos piments verts comme ça. On va les ajouter ainsi pour qu'ils puissent dégager leur odeur. Ça sent vraiment bon voilà là on va ajouter un peu de sel un peu d'arôme vérifiez bien vos feuilles euh, si c'est bien mou ça veut dire que c'est prêt et vous pouvez déjà ajouter tous les ingrédients qui restent là j'ai déjà mis mon sombala que j'ai laissé bouillir avec les feuilles euh, durant 15 euh, minutes là je vais ajouter un peu de sel un tout petit peu d'arôme voilà je vais ajouter mon poisson frais parce que la sauce est presque prête. Le poisson frais, je l'ajoute en même temps et j'ajoute un peu euh, mon huile de palme pour que ça puisse bouillir et que ça puisse bien se mélanger au poisson et euh, à la sauce en entier. Voilà. Et eh bien voilà les amis, ma sauce, elle est prête. Là, je vais euh, juste ajouter mes oignons que j'ai déjà émincés pour que ça puisse donner une très belle odeur et aussi un très bon goût à ma sauce. Je vais laisser euh, bouillir pendant juste une ou deux minutes, pas plus, parce que le poisson frais, ça cuit super vite. Voilà, c'est prêt. On va goûter le sel. C'est bon. On est bon pour le sel aujourd'hui, <laughs> ça va. voilà, notre sauce est prête. Si vous avez retenu les ingrédients, on a juste besoin des feuilles fraîches de faucou un peu d'huile rouge, de l'oignon, piment vert, du sel, du poisson frais du sombala et surtout, surtout, un tout petit peu de natron ou de bicarbonate pour bien préparer la sauce. Et c'est une sauce qui ne prend pas beaucoup de temps et qui ne prend pas aussi beaucoup d'ingrédients. Et euh, cette sauce, euh, on peut euh, l'accompagner soit avec de la pâte de maïs, de sorgho si vous voulez, à votre convenance, mais en pâte c'est plus doux. Alors c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Bye bye Merci beaucoup Samira pour la recette des focou fraîches. Restons encore ensemble pour quelques minutes à poursuivre la recette de Danwaki avec Rabia Mekano. Bonjour Ravi, tu vas bien Ça va, ça va bien. Alors bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver dans cet espace cuisine du Niger sur Kalango. Ce matin, je tiens à vous partager la recette de Danwaki, l'un des petits déjeuners favoris à Zander, euh, Maradi, plus encore pour les tout petits. Alors, le danwake, ce sont ces petites boules faites à base de farine de niébé, à laquelle on ajoute d'autres ingrédients. Je vais essayer de partager cette recette en français et en hein, zarma pour euh, mes sœurs zarma qui ne maîtrisent peut-être pas la recette. Alors, commençons par la préparation de la farine, une étape très importante de la recette. Pour cette farine, vous aurez besoin, pour cette étape, vous aurez besoin de farine de haricots bien moulu, mhm. de farine de manioc que vous trouverez chez les côtières, au marché, vous pouvez aussi moudre vos haricots secs et vos morceaux de manioc. Mhm. Alors, dans wakao, imduga kana mamansi. Mhm. <laughs> Dungur hamni grangara. Dungur hamni kifu famu bori. A bori ino fufu ino fufu ino fufu asinda zombukulu. Mm Nimi yega ki eh, rogo hamni. Rogo hamno monigin gare ya waido ki gran haw haw ledera nikin gi ni nima de yadi won ki bogu bogu din mhm. ikoga wala ikoga ga -hmm. ngano ngudu ga hanse nim labo kulka ara nima da nganda dunguro de nim konda mashini ma fufunse pour vraiment obtenir euh, une farine euh, voilà de, de, qualité comme on veut mhm. alors certains remplacent euh, ces deux farines par de la farine de blé ça me fend le cœur de moi qui original là mhm. farine sinfa alors vraiment dans la pure tradition de cette recette, il n'y a aucune trace de farine de blé. D'ailleurs, elle donne des boules presque fades et caoutchouteuses, mhm. à mon goût. Vous aurez besoin de poudre de feuilles de baobab, également bien moulues. Mhm. qui Vous aurez besoin de natron et du sel maintenant eh, hayo sosadi On mhm. va nga kiri ça c'est avec ça qu'on fait l'eau qui lie notre pâte de danwaki maintenant passons à la préparation de notre pâte de danwaki utilisez un tamis très fin pour avoir une pâte bien lisse puis mélangez la farine de niébé à celle de manioc et ajoutez votre poudre de feuilles de baobab voilà darango danwaki hamnof hagay ngu sambata me manga tamarin ki gite da lemu hari bumbu nga naran ngu sambaran ma hagai kalaran ara fari no mate i ama vraiment que, wala voilà mm. am tan am te vraiment i hanno kan sin zombu kul zombu ni siba dan wakira zombu mm. askano digo dan wakinwa faites attention à ne pas mettre trop de farine de trop de poudre de de feuilles de baobab dans okay. votre euh, farine de danwake parce que la farine elle doit rester blanche et non elle doit rester blanche et non changer de, de couleur à cause des feuilles, euh, voilà, de la poudre de feuilles de baobab. Ensuite, dans un bol, prenez assez d'eau pour la préparation de la pâte de danwaki. Et à cette eau, ajoutez vos morceaux de natron et de sel. aran sosa daran daran kiro ngaran gadan harura kalim kalim dare harura mhm. haro gonde soso agonde kiri to mhm. haro du naran gadan farino dira aran madibi la pâte ne doit être ni trop dure, ni trop molle. Il faut vraiment que imne sambuyonga agodogona mhm. Amante harhari, aman sandimo. Mhm. Voilà, petit à petit, ajoutez cette eau à votre farine. Mélangez à la main, Ou euh, prenez juste une cuillère. Arama mélangez en mhm. Vous devez vraiment obtenir une pâte lisse et homogène. Passons maintenant à la cuisson. Dans une grosse marmite, mettez de l'eau, puis la moitié faites bouillir. Faites bouillir, baissez le feu, puis maintenir l'eau frémissante à l'aide d'une cuillère ou de vos doigts. Faites vos petites boules. Son haro ago vos garan don waka sambu patto karante aran ma sambu aran gin gidan kiyar kai aran gin garan mm-hmm. kan bai da mu mm-hmm. sabai ga ketu aran ga ketu ketu mm-hmm. mata aran te karan dan waka nini aran gidan gyo zabu aran si dan gyo kultanga zabu kala dan wake din karan godan harora kan go windi windi haroban kalimi ya hal ganda mhm. mhm. son nim samba afo nim samba afo ira nima nanu gadi hala banu mhm. to da banu ngono ni di sintin gate presque transparent to ni be kan dan waka ni ni matini gite gidan waka wa accompagner ngon ngi foiz ki gitasi son dan waka wa aranga ka e, kusura harodira arma ka arma da har kwaraira arma dan basinis fora amman kamata ga yebo dan waka wa da kan aha son nim ta singa fo yizo fo yizo matro sambu gi nim sambu albasa nim nim sambu nim sambu nim dan ni kir kain fo din maji mhm. nima dan nim fo yizo yo hagu mhm. so nimin dan wa kan dan asietora dan to tu incorpores fo yizo kanite nima dan et puis tu mélanges fo gurewo kan ai koi di kan igan wa baru bin dubun diki kasum <laughs> to son armaran dan wa kasum et voilà c'est tout pour la recette bon appétit et bonne rupture à Merci tous. Merci Rabia de Nyankamborego Mehawir Goderielo Gan Studio. <laughs> Voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette, plutôt chez vous. Mariam, on sort de cuisine pour revenir au studio pour écouter la culture linguistique en français en tamashek, actualité oblige. Le mot du jour et de la semaine, sera Madame et ça sera avec Alamine Ouachar. Bonjour Alamine. Bonjour euh, chers auditeurs et auditrices, en espérant que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans notre émission Culture linguistique. Le 11 mars 2024 marque le début du mois de Ramadan, qui est le neuvième mois du calendrier islamique et le mois au cours desquels le Coran a été révélé au prophète Muhammad Le jeûne qui est impliqué de l'islam consiste à gêner chaque jour du mois lunaire de Ramadan. Pendant les mois de Ramadan, les fidèles musulmans pratiquent le jeûne l'un des cinq piliers de l'islam. Vous le savez sûrement deviné, vous l'avez sûrement deviné, nous le mot du jour c'est le jeûne. Le jeûne est une privation de nourriture accompagnée d'une privation de boissons. C'est aussi c'est priver tout ce à quoi on est attaché. Prenons un exemple. Je te souhaite une bonne rupture de jeûne. دونك التقارات ماجق فرقنا ويقرنا رمضان السنة التاسعة يمس قالنا وين نربز نضال من الوقع انت دا ديان دا تلي تمارس نوطي وان الشنجمت سنة مروان دكوز واسي موس تالي تانت نين اسلام هروادا غن انت دغدي زبط القرآن ينبي صلى الله عليه وسلم السنة تاس أزوم انت موسنا دا تقتا وين شنسو موس اتنين اسلام امارني موس ارت ددي قدل ويدن يمان تاتي تغتا ميرتا أسي زوم ما ويدن ودي قدل يمان تاتي ما دي قدل أس قدل يمان أرد كل ويقلن تاسي أما كوين دا دي غيناس إفرا قد قدل زوم يويدن أرتن كل ويندري درو العلاقة المثال أداوان سديرنا التشويمة مان الخير تانم مرتلا من أرلقمت مبشلة ميرو Voilà, merci à la mine pour ces précisions. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Moussa. musa ibrahim ana kirana da sadin musa mai shayi bakin ofital sosai ina sauraron studio kalangu lokaci duka da abokanai na muna zamanan da marece muna sa radio muna sauraron studio kalangu sosai muna jin shi muna sauraron sirtu ma wannan hira da ake yi na eh, harakan jenes to sai dai mu ce mu kara muku karfin gwiwa lalle tabbata muna jin daɗin kullum in ana hira ana haɗin haraka matasa to muna jin daɗi ana cewa matasan nan saboda mu matasan ne to muna jin daɗi sosai bisa kai da maganar matasan nan mun san ba amince da mu ba ko ba haka ba eh Allah ya kara muku karfin gwiwa kuma ku kara harkoki in kuna zancen matasan nan muna jin daɗi eh a sa cikin matasa a sa su cikin kowace haraka su ne insha Allah za su zama gaba manya na gobe kuma insha Allah generation 90 eh babban group kita ce ta da muka tashi tun mu yara muna yara generation 90 ina gaida kowa da kowa dan generation 90 bubakar mariko umaru narwa sankanduz eh, da sauran abokanmu duka abdulaziz hamidu provisor da su kyan generation 90 akwai waɗanda ma na ƙasar waje duka ina gaida su ina jinjina musu allah ya bar mu tare allah ya sama wannan studio kalungu albarka usmin eh, na girid awadimin wadimin nomad آه والله استوديو كلامو استوديو كلامو تماس راديو سان طلع ما في رسول تسكي تتفن جواب تن في الارتويتو جندر نيجر در ادنت ما قباديوكا افيلين كان هناك اصد اشغال خين استوديو كلامو 17 عدبزا أدقى كابتن راديو سراوني أفيلا أدز درجنا غي استوديو كلامو 18 سي سي درجنا غاس

نسيدر غنس 17h 18h 11h نتد ميدي كلو نسيدر غنس ناك مانين بروغرام استوديو studio سانق جيل كل واست استوديو كلونغو است الجواب نت ارت كل واست تغو سانق اش غنتي سولاخين ايتدي من زروري كلو كومنت نرزرو كلو درا غالكن زرور نوماد انتد غالكن ما داوا درا غالكن niger Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le Niger c'est fini et aussi pour la semaine. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie de Maria Adé et de moi-même Samira Wafi. À la technique, c'était Issa Lawali et la grande dame Rahila Toussoumana, notre chef d'édition. Voilà, n'oubliez pas le programme du soir à partir de 17h. Et quant à moi, on se retrouve demain pour euh, la FADA qui commence à partir de 18h. Et le thème qu'on a choisi, euh, on va parler des femmes entrepreneurs en agroalimentaire et aussi dans le journal en français en Hausa de l'Actu des jeunes. Quant à moi, ça sera Antama à 17h, Ok, bye bye.